L'actualité ayant marqué la semaine, c'est d'abord cette attaque du village de Douxme situé à 18 km dans l'angle du fleuve Niger à l'est d'Ayero dans la région de Tilaberi dimanche dernier dans l'après-midi. Selon Barmini Kaboé, préfet du département de Bankilare, le bilan a fait état d'un mort et deux blessés côté population. Une poursuite a été engagée par les FDS à l'encontre des bandits armés venus sur 18 motos. Un mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement européens et africains s'est ouvert lundi dernier à Paris, en France. Il a été consacré à la gestion et au contrôle des flux migratoires en provenance d'Afrique. Cette réunion de travail a été l'occasion de réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires, a indiqué l'Élysée. Le président de la République Issoufou Mohamedou a pris part à cette rencontre. Le président du mouvement des jeunes pour l'émergence du Niger, Moujène Sirajissa, interpellé le 26 août dernier, a été présenté au parquet qu'il a inculpé pour outrage à un citoyen chargé d'un service public mercredi passé. Dans une déclaration rendue publique vendredi au siège du Mogène, plusieurs structures de la société civile nigérienne réunies au sein d'un collectif ont fustigé cette arrestation de Sirajissa et exigé sa libération immédiate et sans condition. Notons que son procès est prévu pour le jeudi 7 septembre prochain. Jeudi dernier, la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey a rendu publique une déclaration pour rappeler aux autorités régionales en charge des enseignements secondaires sa plateforme revendicative déposée depuis le 28 juillet 2017. Selon le SG de cette section, Abdraman Salifou, les autorités de tutelle sont en retard par rapport aux préparatifs de la prochaine rentrée scolaire 2017 2018. Nous avons eu à effectuer des missions de nous-mêmes, voir la réalité des choses et rien n'a été fait de concret. Entre autres, le recrutement des enseignants, les chantiers qui sont en construction depuis 2013. C'est ça notre problème. Les écoles qui sont inondées. Nous voulons assez qu'il y ait des solutions par rapport à ça. Enfin, la coordination des ONG et associations féminines du Niger a rendu public le 31 août 2017 une déclaration en faveur des 39 femmes et enfants enlevés par la secte Boko Haram à Ngalewa dans la nuit du 2 juillet dernier. Dans l'espoir que Dieu puisse exaucer leurs vœux, les femmes de la Congafen ont choisi le jour de l'ascension d'Arafat pour prier afin de voir le retour rapide de ces personnes kidnappées dans la région de Difa et prier en faveur des FDS dans leur combat de sécurisation du territoire national.